Mesdames et messieurs, bonsoir. Il vient d'être 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangu. Bienvenue à tous dans le forum de la presse, notre émission de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec les confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler du plan de développement économique et social PDS 2022-2026 du Niger qui était au centre des échanges en début de semaine à Paris, en France. Plusieurs annonces ont été faites en faveur du Niger. Ensuite, nous aborderons la question de la hausse des prix des produits de première nécessité qui est constatée ces jours-ci euh, sur les marchés au Niger. Dans ce forum, nous verrons également les actions entreprises au Niger à l'occasion les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a débuté le 25 novembre et qui se poursuit jusqu'au 10 décembre prochain. Enfin, du sport avec la Coupe du Monde qui se poursuit au Qatar. Aujourd'hui, le Maroc est le seul pays africain à l'INSA. Et pour discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Elage Mohamedou Suleiman. Il est le directeur de publication du journal Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir. Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria. Bonsoir. bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir à chez vous pour suivre le forum de la presse de ce vendredi 9 décembre. Le plan de développement économique et social à PDS 2022-2026 du Niger était au centre des échanges en début de semaine à Paris, en France, où plusieurs annonces ont été faites en faveur du Niger. Ainsi, pour un objectif d'environ 29 milliards d'euros, les partenaires institutionnels, les amis du Niger et les investisseurs privés ont annoncé leur contribution de financement qui atteint un montant global de 45 milliards d'euros. Alors, je commence par vous, Elhaj Mahamadou Suleiman. Tout d'abord, quel est l'intérêt du PDS pour le pays euh, Merci bien, euh, selon le gouvernement, euh, l'objectif ou les objectifs en tout cas assignés au PDS. Euh, il s'agit donc euh, de revaloriser le capital humain, euh, transformer ce, donc l'économie. Mm. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de réformes donc économiques. et vous savez, le PDS a commencé depuis 2012. Il y avait le PDS 2012-2016. Il y a eu la phase 2017-2021 et maintenant on, est à la phase, a la phase 3 donc 2022-2026. Euh, euh, ici, il faut quand même euh, noter la stabilité qui est quand même un des facteurs qui a beaucoup joué. La stabilité, c'est-à-dire La stabilité politique, institutionnelle, en tout cas, le pays, malgré les chocs, comme tout le monde l'a constaté, et mhm. quand vous entendez les partenaires, effectivement, le Niger, en tout cas, avait comme atout de pouvoir, malgré donc l'insécurité, ces mhm. chocs-là, en tout mhm. cas, que le pays a connu, il est arrivé quand à garantir une certaine stabilité. Mhm. Et la stabilité, euh, comme vous le savez, euh, c'était euh, la, la, parenthèse euh, euh Salou Joubo, mhm. le président avait quand même aussi fait ce demande. C'est très important pour un pays. Mhm. Vous allez voir les pays qui ont le coup d'État ils remettent en cause, ils un retard qui va se rester des années, des années après. Donc, pour revenir sur sur vous voulez dire que cette stabilité est l'un des facteurs qui a valu au Niger euh, cet exploit en matière de les, les, les, partenaires, que ce soit euh, donc, euh, les, barres de fonds, en tout cas le, monde privé, mm. ils sont très vigilants, ils ne peuvent pas investir là où il y a l'instabilité. Donc c'est un facteur important qui a donc beaucoup de beaucoup, beaucoup joué. Euh, mais je constate que le gouvernement aussi euh, a dit clairement que euh, le PDS sera financé à 45% donc, par le ressource mhm. de, de, l'État. Mhm. On pourrait observer qu'effectivement, que ça. En tout cas, on a donné une marge importante donc, mhm. en tout cas aux partenaires, que ce soit donc, multilatéral en tout cas ou bien privé. Et donc, euh, on a, on a, j'ai suivi le ministre de, du Plan. il disait que, euh, avec nos ressources pétrolières, en tout cas, euh, donc, peuvent aller au-delà de ce qui a mm. été fait. Donc, vous voyez, en fait, ça, je pense que fondamentalement, quand on considère justement ces ressources donc pétrolières et bien d'autres, on pourrait penser que le pays pourrait véritablement avoir plus d'ambition mhm. que de compter sur. Parce que, bon, le débat est le suivant. Donc, on mhm. pense que l'aide des partenaires au développement, ou bien du secteur privé, mhm. est-ce est vraiment euh, un, don eh Donc, il est parti effectivement pour être euh, un don, mais l'autre partie, c'est des, c'est, mais, est-ce que le pays a besoin de tout ce, ces, toute cette aide-là pour, bon, je disais, Je disais tout à l'heure, en tout cas, dans la logique euh, du gouvernement, j'ai dit nous sommes à la troisième phase. Mhm, mhm. En tout cas, si le gouvernement donc, a, pu assurer donc, euh, euh, la stabilité donc, dans la gestion de l'État, mhm. donc ces, dernières années, en tout cas, c'est dû effectivement à ce financement. Parce que tout simplement, il faut quand même l'admettre, euh, le Niger, euh, on ne fait plus. Euh, il n'est plus question, en tout cas, de, de, de, retard dans le paiement, en tout cas, de, en tout cas de ses mhm. obligations. Mhm. Donc, quand je parle d'obligations, le monde du travail, aujourd'hui, il ne va plus en grève pour des questions de, de, salaire. Mhm. On me dira qu'effectivement, le pays est quand même plus riche qu'avant. Mais moi, je pense que de mon point de vue, c'est une très bonne chose. Euh. On a vu donc un objectif de, vous l'avez dit, de 29 milliards on a pu mobiliser 46 milliards. À l'époque, euh, c'était 23 milliards, euh, donc le dernier, 2017-2022. Il y a effectivement une action où on avait mobilisé plus que ce qu'on attendait. Mm-hmm. Mais tout cela, c'est très important. Mm-hmm. quand on parle de ces, de ces chiffres-là faramineux, mais le plus important, à mon sens, mhm. c'est d'abord la, gouvernance. Mhm. Euh, que, effectivement, euh, une des leçons, en tout cas dans ce pays, c'est de considérer que c'est moins qui sont mobilisés, il faut plus de vigilance. En tout cas, on mhm. pense que le temps donné par le président Bazoum à son arrivée au pouvoir, à savoir que euh, tolérance zéro pour l'impunité et la corruption. Donc il va falloir, en tout cas, en tout cas améliorer la gouvernance parce que sans quoi, on risque effectivement de voir ce chiffre-là, parce que vous savez aussi la difficulté euh, au niveau économique, mhm. c'est que la croissance ne pas le voyez, Par exemple, on va parler d'ici 2023. Mhm. Euh, à, 10, donc la croissance a deux chiffres. Mais souvent, les Nigériens, en tout cas, par exemple, toute la gouvernance de de, de, croissance, mais les gens disent qu'ils ne sentent pas ça mhm. dans le vécu quotidien. On espère je, pense que, je pense que c'est ça, en tout cas, de mon point de vue. Euh, le défi majeur, c'est d'abord la gouvernance. C'est la gouvernance. Alors vous, Ousseini, euh, toutes ces annonces, euh, cette levée de fonds, qu'est-ce que vous pensez vraiment de toutes ces annonces j'ai eu la chance d'assister à Paris, le premier PDS avec Cissé, oui. n'est-ce pas On est en train de parler d'annonces. Mhm. Et dans ce genre de réunion, c'est toujours les mêmes partenaires, Banque mondiale, BAD, FMI, et comment on appelle euh, Club de Paris mhm. et plus d'autres partenaires du secteur, comme à dirige privé. Mhm. Ben, quand ils viennent, ils vont voir ce que le Niger expose, qu'est-ce que le Niger a à vendre. N'est-ce pas ah, et En fonction de ça, c'est les mêmes acteurs, hein. il ne faut pas se faire d'illusion. Il n'y a pas de nouveaux acteurs qui vont venir de 2011 à aujourd'hui. C'est les, mêmes, acteurs qui se voient, bien sûr. Ceux qui viennent, qui disent, bon, on fait les projections, on fait des exposés, on fait, comme avait dit, après, chacun s'engage en disant je vais donner tel montant ou je m'engage à apporter un financement sur tel montant. Mhm. N'est-ce pas Le problème n'est pas là. Quand les gens annoncent ces partenaires-là, ce n'est pas qu'ils vont prendre l'argent directement donné au pays. Il faut bien se le dire parce que les gens oublient souvent que en donnant l'argent, ils ont une vision mhm. par rapport à le, type d'intervention. Ils ont des canevas pour pouvoir débloquer. Et moi, j'ai posé la question à la fin du PDS 2012 à Sissé. Mhm. Et c'est là le défi va se poser. Mhm. Il faut avoir des cadres capables de pouvoir concevoir des programmes et des projets bancables par ces partenaires-là. Tant que ce n'est pas fait, la période va se couler. Rien ne va sera Malheureusement, nous sommes confrontés à cette situation dans ce pays. Il ne faut mhm. pas se voiler la face. On a de plus en plus moins de quatre concepteurs capables de monter des projets. Mhm. Je ne sais pas pourquoi au nom de la politique comment l'État doit s'y prendre Mais moi, j'ai posé la question à Sissé, parce que je causais avec des gens à l'époque, quand j'étais, je causais avec des partenaires. Ils ont dit non, la difficulté de, ce pays, mhm. c'est que les cadres de conception qui sont capables de monter, parce que le tout n'est pas de venir faire un discours. Le partenaire, voilà, Il faut sa, savoir sa vision en termes d'intervention, voilà dans quel secteur moi je vais aller. Mhm. Et voilà aussi les mécanismes qu'il faut respecter, que moi j'impose. Si vous ne respectez pas, moi je ne vais pas vous donner mon argent. Alors, si on n'a pas mis tous ces dispositifs-là en place, d'un alors, tout à l'heure, Gary vient de dire quelque chose de pertinent. On n'a pas fait le bilan de 2016. On n'a pas fait le bilan de 2021. On celui de 2022. On, vient, parce que normalement, il aurait fallu faire ce bilan-là. Dit en termes. Parce que même les partenaires, ça les intéresse. En termes de besoin, pour savoir où on devrait mettre euh, l'accent. Euh, euh, les partenaires, ça les intéresse. Mhm, Pourquoi mhm. Quand on vous annonce tel montant, en fin de cycle, vous constatez que ils n'ont même pas été capables de débloquer le tiers de ce que vous, vous avez engagé. Mais la prochaine fois, Bien évidemment, ils vont faire des annonces fantaisistes et tout et tout. Et les gens vont acclamer. Mm. Mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose parce que les gens n'ont pas fait le travail requis. Le temps passe vite. Et tous ces financements-là tombent à l'eau. Peut-être qu'il y aura juste quelques miettes qui vont venir et ça fait que moi, j'ai dit, l'exercice est bien. Le gouvernement doit revoir donc, oui. Oui, on doit revoir et on doit renforcer les compétences de ça. Parce que des planificateurs, il faut, il faut en avoir. Mhm. Mais malheureusement, il n'y a plus beaucoup de planificateurs dans ce pays. À l'époque, c'était les plans quinquennaux sous Kunché. Mhm. On dit de telle période à telle période, on va atteindre telle euh, croissance, on va atteindre telle machine Et enfin, en fin de parcours, on présente qu'est-ce qui a marché, mhm. qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché Comment on peut faire pour améliorer prochainement Quand on ne fait pas cet exercice, Bien évidemment, les gens, chacun vient fantaisiste, ils annoncent, moi je peux donner, mais ils savent que le pays n'est pas en mesure de pouvoir décaisser, mobiliser ces ressources-là. Mhm. Et bon, les gens sont contents. C'est pour ça qu'en fin de compte, on n'arrive pas à faire des bilans. Alors, euh, on, est, on sera donc maintenant à la phase du décaissement. On attend donc le décaissement de ces fonds euh, annoncés. Vous, Garé, quels sont les secteurs vraiment principaux qui vont bénéficier de, ces, de cette euh, aide une fois décaissée Oui, mais euh, je pense que les secteurs sont déjà connus. Au Niger, <coughs> les secteurs les plus prioritaires, c'est l'éducation, l'hydraulique, la santé, voilà, le développement rural. C'est vraiment surtout ces secteurs-là. Mais comme l'a dit Ousseini, l'a si il ne s'agit pas d'annoncer juste voilà, le, des fonds qu'on promet au pays. Parce qu'il y a le, plan qu'on doit transformer, qu'on doit, euh, euh, on doit, le, on doit le mettre sous forme de projet. Mhm. Et donc, comme l'a dit Hussein, c'est des projets qui doivent être bien élaborés pour être, en tout cas, bancables. Mhm. Parce que là, ce sont des annonces, on promet. Mhm. Et d'ailleurs, sur les chiffres, je crois qu'il y a déjà une petite confusion au niveau des chiffres, parce que les chiffres qui ont été annoncés, et sur les réseaux sociaux, dans le communiqué final, ce ne sont, pas les, mêmes, chiffres. Parce qu'on a dit le Niger attendait avait besoin de 10,3 milliards d'euros. Là, on parle de 29 et milliards. et le Niger a eu 22,7 milliards d'euros. C'est à la deuxième journée euh, de cette rencontre. Ça, c'est le communiqué final. Mm. Et moi, je crois que le communiqué final fait foi. Donc les autres chiffres que tu as laissés sur les réseaux sociaux, moi je les prends avec vraiment beaucoup de pincettes. En fait, on a imputé la partie contribution de l'État. C'est pourquoi effectivement c'est revenu. Voilà, donc on a imputé la partie voilà, donc, l'État. Donc vraiment c'est ça, c'est important que les, gens puissent le savoir. C'est vraiment 22 milliards mm. que, le Niger, que le Niger a eu. Mais enfin, le Niger attendait 10 milliards, il a eu 22. Mm. Ça veut dire que il y a euh, une planification qui a été faite sur 10, sur 10 milliards. Mhm. Maintenant, on a 22 milliards. Et donc, ce que Hussein dit là est très extrêmement euh, important. Comment créer des projets de développement mhm. qui puissent consommer ces fonds-là Voilà tout le défi. Mhm. Et comme il l'a dit, normalement, depuis la déclaration de Paris de 2005, n'est-ce pas Qui a mis en place presque cinq critères euh, concernant l'aide au développement il était question d'abord d'impliquer la société civile, je crois que c'était ça. Euh, si les Hussein sont partis, c'est parce que c'est pas parce que le gouvernement les a amenés, c'est une exigence des partenaires. Merci. beaucoup. Merci. C'est une exigence des de, partenaires de développement pour que la société civile soit au début et en principe à la fin au niveau de l'évaluation. Mhm, mhm. Je ne sais pas si on a évalué. Et là, c'est pourquoi je vous dis, moi je critique les, bailleurs de fonds pour un peu euh, leur, légérité. parce que ceux qui ont exigé qu'après un plan qu'on puisse faire l'évaluation pour voir ce qui a marché, comme l'a dit ce qui n'a pas marché, mhm. et corriger. Je ne sais pas si ça a été fait. En tout cas, même si ça a été fait, ça n'a pas, été annoncé. Euh, donc, je crois qu'il faut, il il faut, il faut faire cela. Mhm. Et en fonction de cela, vous dégagez des fonds. Mhm. Maintenant, euh, euh, vraiment, c'est un défi qu'on lance au Niger. Au, au Niger Déjà, on dit qu'au Niger, nous ne sommes pas capables de consommer des crédits. Non, non, en fait, vous savez, nous sommes, méchants, nous sommes... Mm. mais c'est un pays malheureux. C'est-à-dire, c'est au Niger, on vous donne un million pour faire un projet. Toi, tu considères que non, non, non, tu considères que quand tu fais de l'économie, oui, tu as fait du bien. <laughs> mais, non, quand tu dis au bar de fond, je veux un million pour faire ça, s'il te donne un million, ne lui ramène pas de l'argent. Ah oui, mais sinon, il ne te donne plus. Parce que demain, tu vas demander un million. Il dit, ah non, tu n'as pas besoin d'un million. S'il dit, tu te dis pourquoi Il dit, mais tu as demandé un million, tu te donné un million. Tu es parti, tu as dépensé 700 000, tu m'as ramené 300 000. Oui, tu, oui, tu fais de l'économie. <laughs> Ils n'ont rien compris, en fait. Ils n'ont rien compris et ils continuent à partir. C'est pourquoi vous allez voir il y a des opportunités de financement qui sont là, qui pourrissent dans les tiroirs. Ceux qui sont capables euh, de consommer ces crédits-là, les ONG, la société civile qui a des projets, mhm. elle n'arrive pas à avoir des fonds pour des projets. rapidement, El Hajj vous, euh, quelles sont vos recommandations, propositions Comment l'État euh, peut mettre en œuvre ce, PDS 2022-2026 après décaissement Plutôt un constat. Vous voyez, par exemple, j'ai dit, c'est la troisième phase depuis 2012. Et malgré tout ce chiffre annoncé, n'empêche qu'on constate des bourses, de bourse, des questions vraiment euh, élémentaires, mhm. mais faisant quand même des priorités. Mhm. Euh, donc, euh, moi, je me dis qu'avec, avec, comme l'a dit le ministre Duplan, le pétrole qui va en tout cas bientôt, on espère bien que la situation va s'améliorer. Donc, mhm. le pays, quand, le pays en tout cas s'enrichit, il faut que les citoyens le, sentent. J'ai apprécié ce matin quand j'ai suivi le président, le président Talon. Euh, franchement, j'ai senti que véritablement, voilà, euh, des mesures, en tout cas concrètes, qui ont été prises. C'est pas du discours. Euh, il est venu dire aux gens, bon, voilà, on augmente les le, salaires à toutes les catégories de, travailleurs. Et ça, il dit, il l'a fait sans que cela puisse vraiment bousculer les agrégats macroéconomiques. C'est-à-dire mm. que tout simplement, il a essayé de considérer qu'il faut améliorer euh, le train de vie des de, travailleurs, des citoyens, et cela pourrait impacter effectivement euh, euh, tout à fait la vie du pays. Mhm. Autrement dit, cela, on, va, on, parle de la vie qui, qui, est chère, mhm. et je suis en train de constater qu'effectivement, lorsque la vie continue à être chère, le, le, revenu reste le, même, mhm. et que l'État ne prend pas des mesures au niveau donc de de, de, de commerçants, mhm pour en tout cas stabiliser la, situation. Les défis sont donc ah, énormes pour le gouvernement, pour la mise en œuvre vraiment C'est bien beau mhm, véritablement mhm. d'avoir ce chiffre-là, mhm. mais il faudrait encore que euh, le citoyen lambda, en tout cas... Comme le euh, disent les Américains, wait and <laughs> see, euh, pour, Le, <laughs> pour, la mise en œuvre donc, de ce PDS 2022-2026. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse. Nous parlons toujours d'économie depuis le début de l'intervention russe en Ukraine. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté au Niger. Les prix des produits comme le lait, le sucre, l'huile ou encore la farine ont explosé. En plus, beaucoup de ces denrées se font rares, explique Chebou Chombiano. Il est le secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Je vous propose de l'écouter. La guerre en Ukraine, c'est ça qui fait flamber tous les prix. Pratiquement sur la farine, là, on ne paye pas grand-chose. Mais les prix à l'achat ont augmenté. Et le produit se fait rare. Tout ça, c'est parce que nous ne produisons pas. Nous sommes dans l'espace caf Nous devrons produire et exporter dans les 53 pays. Par exemple, l'oignon, nous ne pourrions pas faire des épices on l'exporte à l'état cru. La valeur ajoutée va ailleurs. C'est comme le bétail, qu'on fasse un désarmement tarifaire sur les produits de première nécessité. Dans le désarmement tarifaire, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas pris en compte. Donc la flambée des prix, là, franchement, c'est une indépendance de notre volonté. Les prix ont augmenté à l'achat à l'extérieur. Ce n'est pas au niveau des commerçants quand un produit se fait rare, il va de soi que ça devient cher. La meilleure des choses, il faut produire ce que nous consommons. Plus la guerre continue, plus les produits vont devenir chers à l'importation. Nous venons donc d'écouter le secrétaire général du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Chebou Chambiano. Alors vous, Seyni, euh, quel est votre avis par rapport à ces explications données par euh, Chebou Chambiano ah ben, D'abord, la guerre en Ukraine a le dos très large. Mm cest à N'est-ce pas Mais on déverse tout sur, la guerre en Ukraine, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se remet jamais en cause. Bon, mm. la guerre en Ukraine, c'est ça qui a fait flamber, c'est ça, c'est cela. Donc ce n'est pas la principale. L'Ukraine se trouve où Par rapport à l'Afrique. C'est quand même un pays, un des pays producteurs des, produits Non, non, mais d'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Non, je veux dire, ça doit faire ouvrir les yeux à nos dirigeants. Mm. Imaginez, on a parlé de Covid. Covid, ok, on dit. A impacté sur les activités. Ah, ça a impacté sur, les activités, sur le transport et tout et tout. On a fermé les frontières et tout et tout. Il y a des produits qu'on ne pouvait pas faire venir. Mhm. On sort de Covid, on tombe dans la guerre de l'Ukraine. Maintenant, la guerre de l'Ukraine, maintenant, même si c'est piment qui augmente, on dit c'est à oh, cause de la oh. guerre en Ukraine. Non. D'accord, il y a des produits, par exemple farine et autres. Mais quand on généralise, quand on généralise, aujourd'hui même les condiments, on dit... Ah, tout a augmenté. Les gens disent c'est à cause de la guerre en Ukraine. <laughs> Ce qu'on produit chez nous, les oh, légumes. localement, ici au Burkina Faso ou au Bénin, <laughs> les tomates, on dit c'est la guerre en Ukraine. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la guerre en Ukraine le dos vraiment large. Mais je veux dire, ça doit amener les gens à prendre conscience. tu ne dois pas te contenter, te, te reposer sur quelqu'un. Si nous, tout ce que nous consommons depuis toutes ces années-là, c'est à cause parce que l'Ukraine était. Moi, j'ai dit c'est malheureux. Mm-hmm. C'est malheureux pour nous. Mm-hmm. C'est malheureux, il faut qu'on réfléchisse en Afrique parce qu'il ne sert à rien de venir faire des rhinos, les caves, l'industrialisation, mhm. tant qu'on n'arrive pas à produire suffisamment pour nous prendre en charge. On a fait abrité tout récemment une réunion sur l'industrialisation. Oui, mais si c'est pour mhm. faire juste du bruit, non, il faut qu'on crée concrètement, qu'on mette en place les choses, les mécanismes. Mhm. Aujourd'hui, quand j'entends, on dit on va faire des pôles agro-industriels. Mais produisons d'abord suffisamment à manger. Les pôles agro-industriels, ils vont fonctionner sur quelle base il faut bien de la matière première, non Doit-on acheter cette matière première chez les voisins pour gagner quoi Il y a déjà le coût de l'énergie qui va impacter sur les produits. Maintenant, si on doit la matière première même, on doit l'acheter chez les pays voisins, ça va être très compliqué. Il a évoqué l'aspect sommes... de consommant local. Mais consommant local, les gens font du bruit seulement, consommant local. Au village aujourd'hui. Mais, mais il faut d'abord, il faut d'abord produire localement en quantité suffisante pour que les gens puissent manger à leur faim. Maintenant, l'excédent là, c'est ça qu'on va transformer pour pouvoir amener ailleurs. On dit on a tel million de bétail sur pied. On n'arrive pas à faire des conserves. Parce que tout simplement, les gens préfèrent aller vendre au Nigeria un peu partout. Mm. Moi, je dis c'est nos politiques qui ont failli. L'Afrique n'a pas besoin de quelqu'un pour se nourrir. Je peux comprendre l'Europe. Mais nous, par rapport à la potion géographique de l'Ukraine, on ne doit pas continuer à se plaindre jusqu'à on dit celle-même ça a augmenté parce que euh, parce qu'il y a guerre en Ukraine. Merci. Garez-vous, êtes-vous d'avis que nos politiques ont, failli je suis dans cette situation Avec, avec l'analyse de Hussein, vous savez, euh, la guerre en Ukraine c'est devenu pratiquement une sorte d'objet de blague aujourd'hui. Je vous faire une petite anecdote. Euh, j'ai arrêté un vendeur de cola. Mhm. La cola que j'ai l'habitude d'acheter à, 50 francs, il me dit c'est à 100 francs. J'ai dit pourquoi Il dit Ukraine. <laughs> J'ai dit mais les on vend de la cola. Et c'est comme ça. Il a éclaté de rire. Il en fait, maintenant, dès que vous, dès que vous demandez le prix de quelque chose, on dit c'est Ukraine. On dirait que l'Ukraine, c'est le centre de la Terre et que c'est la première fois qu'il y a la guerre mhm. sur la planète Terre. Mais il y a eu des guerres. Et puis le blé là dont on parle là. Mais vous croyez que dans les villages, les, gens mangent du pain Ils ont besoin. Non mhm. c'est-à-dire que. Et, les commerçants s'abritent derrière ça. Les commerçants qui disent non, non, il faut produire localement. Ce sont les mêmes. Quand ils vont voir que le local là, il est un peu plus cher. Le commerçant n'a pas de scrupules. Hein. Lui, c'est les intérêts. Hein. Ah non, non, non, non, non. Le commerçant, c'est pas un c'est pas l'imam du quartier. C'est pas le, Ah non, non, non, c'est pas des saints. Eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et donc, il va trouver qu'à l'extérieur, par exemple au Nigeria, le même produit qui est produit au Niger, au Nigeria et là moins cher. Ils vont évaluer le prix. Oui, bien sûr, parce que ils, mais ils n'ont pas de scrupules, en fait, je veux dire. On le voit d'ailleurs quand le mois de Ramadan approche. Au-delà de, du gouvernement, même la population aussi euh, doit se remettre en cause, peut-être, dans cette cause. Mais enfin, euh, à chaque fois nous ramener l'histoire de, mhm, l'Ukraine, mhm, mhm. à un certain moment, bon, j'ai dit que les commerçants doivent arrêter. Euh, nous ne sommes pas dupes. Ils profitent de ça pour augmenter les prix de toutes les... Tout, tout a augmenté. Et c'est pourquoi moi j'ai dit non. Si la vie devient de plus en plus chère, il faut que le gouvernement pense à, augmenter les salaires des fonctionnaires. Augmenter les salaires des fonctionnaires. J'ai dit bien augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est extrêmement important, surtout avec la manne financière qu'on va avoir, mhm. avec l'exploitation du, pipeline. Mhm. Il faut songer à augmenter. Il ne faut pas attendre que les syndicats entrent en grève pour négocier l'augmentation. Non. Le gouvernement doit lui-même dire que je constate que la vie est chère, et eh bien, euh, tous les salaires compris entre ça et ça, augmentation de ça, mhm. salaire compris entre ça et ça, c'est extrêmement important. Il faut mhm. prévenir, mhm. ça vaut mieux que guérir. Dans toute cette situation, on sait que c'est la population euh, qui est tellement impactée. Vous, l'âge Suleiman, est-ce que euh, vous avez des propositions d'alternatives pour que cette population puisse vraiment supporter cette hausse de prix Est-ce qu'il y a des alternatives les, propositions alternatives, c'est que la guerre en Ukraine pourrait perdurer donc, euh, vraiment, c'est que euh, peut-être que l'espoir, effectivement, dans le discours, un euh, en plus justement de ressources pétrolières, c'est que le programme du président, en tout cas en exercice, voudrait investir aussi de l'agriculture. Mhm, mhm. c'est comme un scandale. Ici au Niger, nous sommes en matière de la production animale, par exemple. Vous voyez, mhm. Euh, la viande, le lait, mais tout simplement, il n'y a, pas de moyen de transformer mhm. les populations, les éleveurs, à défaut de pouvoir euh, donc, transformer euh, donc, le, lait. Mhm. C'est vraiment gaspillé. donc, c'est tout simplement agir sur deux volets, en tout cas pour le moyen et, et long terme, justement mhm. l'agriculture et notre élevage. Donc, si nous produisons suffisamment de, de, de lait, on peut se passer de, de, de, Et parce qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, ce n'est pas à la bourse, à, la portée de tout le monde le lait. Puisque lorsque vous, vous, vous voyez de la façon en un an, en tout cas, euh, euh, la, boîte de lait, euh, vraiment son prix a explosé. donc, donc, simplement, l'alternative, c'est d'abord les productions effectivement locales. Et aujourd'hui, je vois la tendance, effectivement, il faut que les gens qui ont vraiment les moyens puissent effectivement produire qu'il y ait beaucoup de producteurs, parce que oh, j'ai vu la tendance, aujourd'hui, il y a des cadres même de l'administration aujourd'hui qui produisent, et qui fournissent, par exemple, les, marchés. Mhm. Si effectivement, ce truc, cet effet contagieux, en tout cas, beaucoup de gens qui ont les, moyens, même euh, au, niveau donc de en tout cas au niveau euh, domestique, mhm. les gens produisent en tout cas des choses. Doit euh, être autrement dit, ne plus compter vraiment sur 100% sur le marché. Euh, donc tout est possible. Donc autrement dit, l'alternative, mhm. c'est d'abord, en tout cas au niveau national, en tout cas, euh, que l'État puisse, euh, en tout cas, euh, encourager. Donc, parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est que dommage, notre agriculture continue à être vraiment archaïque. Comme, Vous voyez, et dans ces conditions, mhm. on ne peut pas espérer nourrir les Nigériens. Vivement donc le changement de cette situation pour vraiment alléger les souffrances des populations. Nous passons au troisième euh, sujet du forum euh, de la presse euh, débuté le 25 novembre a passé la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se poursuit. C'est une initiative des Nations Unies pour prévenir et éliminer les violences liées au genre. Gary Amadou, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des Nations Unies C'est ce jour d'activisme-là, mm-hmm. c'est extrêmement important, même si il faut quand même relativiser. Mm-hmm. Les violences faites aux femmes au Niger, c'est pas comme en Europe. Mhm. C'est-à-dire que si vous voyez les chiffres en France, le nombre de femmes tuées par leur mari, mhm. ou euh, c'est des centaines. Au Niger, une, une année, vous allez trouver peut-être un cas ou deux cas. Ici au Niger. Voilà, donc il faut relativiser. Mais au vrai que... au Niger, peut-être qu'il y a des cas qui ne sont pas déclarés. Non, c'est-à-dire il faut mhm. relativiser. C'est-à-dire, euh, euh, nous ici encore, ça va. C'est-à-dire que, heureusement que nous sommes un pays musulman et l'islam demande euh, que, que, le conjoint, les deux conjoints se respectent mutuellement. Mhm. Le respect à la femme est total. Et donc, il y a des cas extrêmement isolés. Bien sûr, peut-être la violence qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut dénoncer, c'est les jeunes filles mari marie à un âge précoce. On peut considérer ça comme une violence. C'est peut-être ça le problème. L'excision, peut-être, ça peut être aussi une violence. Mhm. C'est peut-être ça. Et, même ça, c'est, en train de disparaître. Il y a certaines femmes qui subissent aussi des violences physiques euh, dans leur foyer. Ça aussi, c'est la plus grande violence. Hein. Euh, oui, il y a des violences physiques. C'est vrai, il y a des violences mhm, physiques, mhm. n'est-ce pas Comme dans tous les, dans, tous les pays du monde, c'est pas un truc. Mais euh, pour moi, la, violence que je trouve insupportable, c'est c'est pas la, c'est pas la, violence physique en elle-même, elle est, elle est à condamner. Mais c'est surtout les, violences physiques euh, à la jeune fille, mhm. l'excision, le mariage forcé, les viols, etc. Tout, tout ça, là, c'est des, Comment faire face euh, vraiment Comment lutter contre toutes ces formes de violence Mais c'est difficile. Peut-être en, pénalisant ces, genre de comportement. Mhm. Mais comment pouvez-vous condamner un mari qui euh, euh, excusez-moi, euh, je ne veux pas choquer les gens, pas violente, mais qui réprimande sa femme. Vous comprenez Ou c'est une forme de, voilà parce que non mais on parle de violence on, parle de violence de violence faite aux femmes mais même vous vous cognez des maris <laughs> les hommes aussi ah, sont les mais, mais ça ça, c'est un sujet tabou. Parce que les hommes ne se plaignent pas. Mm-hmm. Donc, vous comprenez mm-hmm. Donc, on fait comme si ça n'existe pas. Ah non mm-hmm. Ah non, donc ça veut dire que c'est un problème peut-être global. Mhm. et je ne sais pas comment le régler, mais parce que tant que deux personnes vivent ensemble, il y a toujours des points de friction. Maintenant, que ça n'arrive pas à la violence, c'est tout. Mhm. Que les gens puissent, même si c'est, même si y la violence verbale, au moins que les gens puissent échanger ça sans venir au coup, quoi. Justement, euh, ici au Niger, euh, plusieurs structures qui militent pour les droits des femmes euh, organisent des séances de sensibilisation, des formations à l'occasion de ces 16 jours d'activisme. Vous, Ousseini, est-ce que vous pensez que cela est suffisant pour lutter contre c'est ces VBG à l'endroit des femmes D'abord, vous savez, c'est de l'autre côté qui s'est arrivé, quoi. Ça dit, mm. n'est-ce pas Ça <laughs> dit, c'est bon, Nations Unies. En réalité, moi, je relativise comme gars. Mm-hmm. Non, honnêtement, nous sommes dans une société à prédominance musulmane. Les gens savent hein, qu'on ne doit pas violenter, on ne doit pas agresser, on ne doit pas. Bon, il y a bien évidemment dans toute société. Ça ne peut manquer l'ampleur qu'on veut donner au phénomène dans notre pays, moi je dis l'ampleur est moindre. N'est-ce pas mhm. Comme Il faut pas. Non, bien sûr, l'ampleur est moindre. Ce n'est pas comme ce qui se passe où la personne peut prendre une arme pour flinguer sa femme et puis les mhm. enfants et mhm. tout. Ou bien, ici, bon, tout le monde ne peut pas être, comme euh, correct et tout et tout. Mais, quelque part, comme il l'a dit encore, c'est qu'il y a les femmes aussi qui sont souvent à l'origine de ces violences. Il ne faut mhm. pas se voiler la face. Par exemple, le mari te donne la popote pour la semaine. Tu vas, tu mets ça dans le foyer. <laughs> et il n'y a pas de repas. Et bien, il se fâche. On dit il ça. sa femme et puis on considère comme une violence. Comme violence. qui a violenté qui dans cette affaire Qui a violenté qui Et tu es obligé encore d'aller. Non, mais moi j'ai donné pour la semaine. En principe, avant le début de la semaine suivante, on ne doit pas me demander. On mhm, mhm. vient, me dit non, il n'y a rien. Mais alors, ça suscite quelle réaction chez l'homme Alors que tu as planifié pour ne pas te retrouver dans une difficulté de cette nature. Mhm, voilà, moi j'ai dit, il faut partager la poire en deux. Certes, il y a des violences, mais de la manière dont on veut montrer les choses, moi je considère que D'accord il faut, il faut relativiser les choses. Hein. Alors, euh, bien que la situation ne soit pas si alarmante selon Hussein Nivou, elle a justement sur quoi mettre l'accent pour éliminer toute forme euh, de violence à l'égard de la femme euh, il, faut, il faut surtout mettre l'accent sur, l'accent sur l'éducation. Mhm. l'éducation, où tout à l'heure, Gary et Hussein parlent de la version, de la vision un peu religieuse. Ça, par exemple, les gens abusent souvent, on dit le courant a dit de frapper une femme. Mais quand les marabouts vont te faire l'interprétation, frapper là, où c'est vraiment juste un truc comme ça, tu vois, vraiment. Mais le plus important, comme un, prédicateur, il défie les, fidèles quand il prêche, il dit le prophète n'a jamais frappé une femme et il en a fait plusieurs. Toi, tu dis que tu suis le prophète. Comment tu, tu, tu, tu, justifies que tu vas frapper ta, ta, ta compagne donc, euh, je pense qu'il faut agir sur l'éducation. Mhm. lorsque effectivement, euh, il y a des choses qui relèvent de notre, euh, peut-être nos traditions, les cultures, où effectivement, c'est un fait. Mhm. Le jeune garçon et la jeune fille n'ont pas le même traitement. Et lorsque, effectivement, le garçon est éduqué dans une condition de. Il pense que c'est une supériorité, ça, ce n'est pas bien. Mhm, c'est une, tout simplement euh, différence de genre. Donc, effectivement, on se rend compte que même dans le traitement fait par les parents aux enfants, cela est considéré comme déjà une violence. Souvent, de bon, c'est quand même, euh, souvent ça, arrive, peut-être dans la société aujourd'hui on commence à voir que, puisqu'à partir du moment où euh, les filles font montre de génie aussi plus que certains garçons. Mais avant, dans les sociétés traditionnelles où véritablement le garçon c'est d'abord le chat, mhm. donc euh, les, les, garçons sont, plus, sont mieux traités que les, que, les filles. Et cela fait penser aux jeunes garçons qu'il est supérieur à sa sœur. Mhm. Dans tous les cas, ça rappelle qu'il y a des sociétés où on enterrait vivantes les, les, filles. Mhm, ça existait dans l'histoire de, de, l'humanité. Donc le plus important, il faut respecter donc vraiment euh, l'équilibre aussi. Parce que, comme ils l'ont dit, effectivement, souvent la violence, elle est féminine, elle est faite pour, sur, l'homme. Mhm. Mais tout simplement, de, selon son éducation de la société, aujourd'hui, quand tu vois cette ma, femme me, me frappe, me <laughs> mais on va te postuler, on va te corriger, parce que tu es indigne, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, moi, ce que j'ai dit, faisons attention, mhm. j'ai vécu dans une société, en tout cas occidentale, où vraiment, si on y prend garde, si on suit cette logique-là, demain, on va créer des, des ONG pour défendre l'homme, parce que tout simplement, la femme va effectivement imposer ses, droits. Mm. Mais est-ce que vous pensez même que toutes ces ONG qui militent pour ces droits des, femmes font beaucoup pour, euh, dans cette lutte-là euh, elles font beaucoup, mais surtout j'ai comme l'impression qu'elles visent un peu le, fond qui est destiné à consommer ce fond là que véritablement l'esprit de, de, la, réalité. Mm la réalité, c'est que, je pense, comme je l'ai dit, faisait un effort pour éduquer, sensibiliser, mais la situation euh, n'est pas aussi alarmante que les gens euh, le, pensent. Et nous avons des mécanismes, en tout cas, en principe, dans, la société, de règlement des conflits. Euh, donc, euh, le cas où. Euh, moi, j'ai par, contre vu des situations, quand, vraiment, il faut me laisser donc, dire ça, cela. Mhm, c'est que quand j'étais venu à, New York, notre professeur d'anglais de, mhm. nous a dit dès le premier cours faites attention à deux choses, ne touchez pas à deux choses. Mhm. la femme et l'enfant dans ce pays. Ah. Et il nous a dit, mon, mon ami intime, c'est un haïtien, un noir haïtien qui était venu, mon ami intime, il a perdu sa vie à cause de, son épouse, une, américaine comme épouse. Elle, elle, est sortie au travail, il est revenu, elle a amené un, euh, quelqu'un chez lui. Il, il, a, il, a, en tout cas agi. Elle a appelé la police, elle a dit qu'il a violenté. Il, est parti à prison, il a perdu son boulot à vie. Donc, euh, c'est dire que vraiment. Les, l'équilibre, il faut voir ça en termes. Mhm. Les femmes et les hommes ont des droits. Mhm. Respecter en tout cas les droits de chacun c'est ça qui me semble en tout cas l'équilibre pour, la société. Si on essaie effectivement de privilégier, c'est vrai en tout cas lorsque le débat se pose, on a sens du même en réalité, mhm. nous, avons bien compris ce qu'on appelle des situations positives. Il faut effectivement favoriser les femmes pour accéder parce qu'effectivement il y a des situations très très criardes où mhm. véritablement c'est une mhm. inégalité. Mais on comprend, mais franchement, amener des choses qui ne sont pas euh, réelles, en tout cas j'ai vu, euh, par exemple la même façon, j'ai vu le, lundi passé, euh, la Croix-Rouge avait un débat, une conférence, un, débat où tout le monde est venu, en tout cas, exprimer maintenant, les gens vont, euh, en tout cas, les femmes et les hommes, de ce qui se passe. Mhm. comment, maintenant, comment maintenant améliorer euh, donc ce qui est fait comment justement euh, proposer donc de, des, alternatives, en tout cas, mhm. pour une meilleure prise de surveillance basée sur le, sur, beaucoup, le genre. Parce que comme, vous, comme vous le dites, mhm. quand on parle de genre, effectivement, ce n'est pas que seulement la, la, mhm, femme. Il y a aujourd'hui des, enfants, aussi l'autre phénomène de la société. Il y a par exemple de jeunes enfants, garçons ou filles, qui sont violentés par des, personnes adultes, mhm. euh, tu, vois quoi, sur, de, la base sexuelle. Et tout ça, ça c'est à dénoncer. Beaucoup donc doit être fait pour euh, l'élimination de toutes ces formes de violence euh, à l'égard de la femme ici au Niger. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi 9 décembre, la Coupe du Monde Qatar 2022 se poursuit. Sur les cinq pays qui ont représenté l'Afrique, seul le Maroc est toujours à l'ISA. Gare, euh, quelle analyse faites-vous du passage de ces pays africains à la Coupe du Monde Vous savez, moi, je n'étais pas surpris. avant, que le mondial ne, débute, et puis dès les premiers matchs, moi j'avais dit à quelqu'un, on avait discuté avec lui, j'ai dit, tu sais, euh, c'est bien joli le, euh, <laughs> le Cameroun, le Sénégal. J'ai dit, il ne fera rien. Il dit, avant ah j'ai dit, oui, oui. J'ai dit, tu vas les... pessimiste dès le début. Dès le début, je l'ai dit. <laughs> quand le Maroc s'est qualifié, je lui ai rappelé ça. Mhm. J'ai dit, j'étais dit que c'est le Maroc qui va aller loin. Mhm. J'ai dit, parce que j'ai vu le jeu du Maroc. Vous voyez Et donc, moi, franchement, je n'étais pas surpris. Euh, parce que le jeu du Ghana, c'est beaucoup de blagues. C'est-à-dire, on, cherche à faire le beau jeu. Le Sénégal, on a l'impression que sans Sadio Mané, ça n'existe pas. Mhm. Ils ont beaucoup Vous comprenez Sadio Mané. Voilà. Euh, donc, etc., etc la Tunisie, euh, c'était pas très fort. Bon. Mais le Maroc a montré une équipe qui peut aller loin. Le Maroc peut aller loin. Et donc, moi, j'étais très fier parce que... Ils sont déjà qualifiés au quart de finale. Au quart de finale. Je ne sais pas, ils vont jouer contre la, euh, quel pays contre, le Portugal, je crois. Oui, contre le Portugal. Le Portugal est pénible. pour le Maroc. Le Maroc, là. Mm. Même euh, le, Portugal, moi je n'ai peur de personne pour le Maroc. Mm. C'est une équipe qui est solide. Tous les compartiments du jeu sont bons. Mm-hmm n'est-ce pas Et on a vu leur prouesse au niveau du tir, de penalty. Ils ont un excellent gardien et puis ils ont des bons tireurs de penalty. Donc moi, je n'ai peur de rien et je suis très fier de la performance du Maroc et j'espère qu'ils vont continuer. Oui, d'accord. Alors, vous, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à ces joueurs de ces équipes qui, sont éliminées euh, ben, En réalité, euh, quand on parle de prouesse, le fait qu'on ait deux, deux, équipes qui sont allées à, huitième de finale, on n'a jamais eu trois, semble-t-il. Euh, euh, donc c'est déjà une, c'est déjà bien, les choses commencent à, améliorer et l'espoir c'est que paraît qu'en en 2024 où la prochaine coupe c'est euh, donc euh, donc oh, les équipes africaines pourraient passer de de 5 à 9. Mm-hmm. donc mais de façon générale je pense que comme l'a dit Garé, les gens étaient pessimistes mm-hmm. dès, dès, le départ. En tout cas, le pronostic, les mm-hmm. gens étaient pessimistes sur que le fait que les Africains vont, aller loin. Mhm. le Maroc, on, va essayer de voir. Euh, mhm. est-ce qu'il pourrait effectivement franchir la, prochaine étape Là, on ne on, sait pas. Mais je pense que euh, cela veut dire que tout simplement, en matière de, foot, euh, euh, l'Afrique doit encore attendre euh, pour se voir véritablement propulser euh, vraiment efforts vraiment pour l'Afrique. Cette année, c'est seulement cinq équipes qui représentent toute l'Afrique. Ça, ça quoi Vraiment. Cinq équipes une seule qui va en quart de finale. Mais c'est pitoyable ça. Il faut revoir. Alors, Ousseini, le Maroc va en quart de finale et jouera demain contre le Portugal. Quels sont vos souhaits pour le Maroc qui reste le seul pays en lice je souhaite que le Maroc aille encore plus loin. Mais moi, je vais dire une chose. Parce que je sais que nous avons des joueurs bons, compétents, en Afrique, hein, dans nos pays. Quand tu vois en Occident, on compte beaucoup sur eux. Nous avons un problème, nous, les pays africains négros. On est complexé face à ces blancs-là. Les Arabes, les Maghrébins, eux, ils ne sont pas complexés. Voilà la différence. Ils sont sur le terrain, ils vont faire le jeu on avait des équipes compétentes comme le Sénégal, euh, le Ghana. Quand ils, se oui. ils sont compétents, ils ont des éléments, des individualités. Mais quand ils se retrouvent, et tous ces pays-là, quand c'est quand il y a le mondial qu'on constitue l'équipe nationale en faisant appel. Ils jouent dans les mêmes clubs en Occident. Mmh, mmh, mmh. Nous, c'est quand on nous réunit, on vient D'abord, vous constatez que le premier match, ils s'arrangent parce qu'ils ont peur. Non, tu viens pour gagner. Et n'a n'a pas ce mental-là. Mm. quand vous prenez par exemple le match du Cameroun, mm-hmm. vous avez vu comment c'est à la 85e minute qu'ils ont encaissé. comment ça s'appelle Comment vous ne pouvez pas dire en 5 minutes qu'on peut contenir l'autre vous perdez Donc, un les Pays africains doivent le revoir euh, les, pays africains subsahariens, mm-hmm. les pays maghrébins, c'est des pays, ils n'ont pas de complexité vis-à-vis des pays. Vous avez vu le jeu du Maroc mm-hmm. contre un pays comme l'Espagne. Vous avez vu les jeux qu'ils ont déployé déployés ils ont donné du fil à retordre et finalement ils ont pris le dessus. on espère que ça soit ainsi le, La Tunisie la Tunisie ça fait longtemps, mais la Tunisie aussi <laughs> compte beaucoup. Mhm, mhm, oui. Mhm. C'est pour ça moi j'ai dit, il faut catégoriser. l'Afrique subsaharienne et l'Afrique euh, blanche. Mais les pays de la, ils sont d'habitude quand ils viennent, ils viennent pour jouer sans complexe. Nous, nous, avons ce problème de complexe. Nous, nous, avons, nous les connaissons, et hein, nous connaissons les mêmes joueurs, mais quand on vient, parce que tout simplement, à travers les médias, on vend tel ou tel pays. Mhm. On se laisse faire, on se dit que non, on va, on va, on va. Merci, oui, Garé, rapidement, nous allons clôturer. Je, voulais dire, mais vous avez vu le, dernier match du Sénégal. Vous avez vu comment les Sénégalais perdaient des balles <laughs> au milieu du terrain, ils perdent des balles et puis deux passes, trois passes et puis on parle au des début. Non, c'était pitoyable. L'entraîneur dit qu'il était, il est surpris par l'attitude de ces. Mhm. Il dit mais comment peut-on être nul dans une compétition aussi de haut niveau comme la Coupe du Monde mhm laisser des balles jusqu'à encaisser des buts comme ça de façon, excusez-moi, assez bête. Très bonne chance donc à, l'équipe du Maroc et on espère euh, qu'elle aille à, la finale. Ah, bien sûr, c'est possible. Et c'est ici donc euh, que prend fait le forum de la presse de ce vendredi 9 décembre 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à nos invités. Hussein Issa, journaliste indépendant, El Haj Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter. Dore Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria, merci d'être venu. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaire avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et à partir de 18h à 15 les samedis et dimanches le forum de Studio Kalangou. La technique est assurée par Amina Hassan à la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nefis Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.